أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني venez et soyez la bienvenue. Je vous ai ouvert toutes mes portes, vous qui marquez la victoire de l'élu longuement souffert de peine et de toutes sortes. Safar, approchez, j'aime cohabiter avec vous. Tous mes biens seront en votre faveur. Soyez tranquille, faites comme chez vous, vous qui m'apportez tant de bonheur. Safar, entrez, entrez, la voici votre résidence. Profitez-en exagérément, ne laissez aucune séquence vous qui m'élevez publiquement. Safar, moment de bonheur et de liberté où tout de dévoile sa gaieté après des années d'exil de leur guide qui retourna triomphalement sans vide. Safar instant de défilé et de bonbons, où les vêtements sont renouvelés et les poches vidées pour les berner, servis sans distinction d'âge et de croyance. Safar, période de meeting et de conférence où les disciples prêchent sur Ahmadou, qui nous a octroyé l'indépendance. faitons la faitons la donc, ne soyez pas nous. دار جاخلونو ناخ نامنو بن بق بق ولا بن يتي ولا بن خن تف ولا لن جوب كان جولو غرو سنتوا يا ود بالفرح